c'est pas facile avec la crise là et la maladie là c'est pas facile franchement parler et puis il y a des gens qu'on veut déloger, alors qu'ils ont mis leur argent dedans, ils ont construit, ils ont mis des carreaux. Franchement, parler selon moi, avant qu'ils quittent, ils n'ont qu'à leur rembourser leur argent qu'ils ont mis dedans. Franchement, parler. Je ne koy pas da nga koy utal fu mu mais d'autres tëb parce que les gens doomu aadama yaa ngi dégg nit ki boo ko génnee da wutal fu mu nekk mais mënoo ko tamit génn ko. ñun ñoo bëgg ñu jaay doole génnee ñu. du yoon léegi lan ngeen compté faire pour yéen. ñun li ñuy wax mooy Macky Sall na ci gaaw wax parce que depuis boobu ñu ngi wax kenn réagir na ci gaaw wax. léegi lan ngeen nar yéen. ñun liñ mu ngi nii. waaw mbokk yi ñu taal est que xam nga leen mën a jural ñoom yoruñu ay asthmatique seen kër xoolal ñu yoroon ay pompe taxaw fii bu continué woon dañuy wax gendarme yi dem toogi na la ñun ku ñu xamul ku nekk dégg nga ñu